Euh, oui, pour le cas de, pour la question qui avait été posée euh, par rapport au troisième mandat et puis euh, le, les, ni oui ni non de, de, Macky Sall, ni oui ni non de Macky Sall moi je pense que ni on continuer de commenter ci à la limite tout simplement parce que dafa am loo xam la constitution bi dafa wax lu constitution du Sénégal dafa né dans son article 27 et suivant bien sûr constitution bi dafa ne amul droit tegle lu ëpp ñetti mandat ma répéter ko constitution Sénégal dafa né dans son article 27 et suivant ken amul droit tegle lu ëpp ñetti mandat il se trouve que Macky Sall tekna un deuxième mandat am la nek ni le deuxième mandat est en 2024 Macky Sall n'aura plus le droit d'avoir une candidature pour un troisième mandat ce n'est plus possible parce que Ken ñuy Macky Sall ci la sénégalais vous n'avez pas le droit et personne d'autre sénégalais n'aurait pas le droit d'avoir plus de deux mandats ce n'est pas possible donc loolu question boobu de waratuñu woon sax di ko sóoraale ci Macky Sall tout simplement parce que la constitution et beaucoup ou alors autrement dit les écrits de la constitution sont beaucoup plus importants que la parole de Macky Sall la parole de Macky Sall n'a pas d'importance c'est la constitution du Sénégal qui est au-dessus de tout le monde kayit bi nga xamné mom moom teunk ñun ñep pour nan lañu wara organiser suñu vie ñun en tant que sénégalais en société waaye su je waxee lii yépp ba pare ci xanaa di ngeen jaaxle bu ma leen ne Macky Sall possibilité am un troisième mandat di ngeen ma laaj lan moo war a mën a tax Alioune Sow ngeen ne Macky Sall amul amul droit am troisième mandat ngeen dellu le man ma dellu siwaat ne leen Macky Sall am possibilité am un troisième mandat mais c'est simple mais Macky Sall a une majorité à l'Assemblée nationale cette majorité qu'on appelle mécanique qui lui permet beaucoup de modifier la constitution avant les prochaines élections législatives, avant 2022. Beaucoup de euh, modifier cette constitution, beaucoup modifier les articles intéressés ou wala qui gal encore comme cet article 27 Nous disons, que bu Makissal Macky Sall droit de ci ay textes convenir pour sa possibilité, pour, le, pour que Moumana ait une possibilité à un troisième mandat. Donc c'est possible, parce que quand on a une majorité à l'Assemblée nationale, on peut faire ce qu'on veut dans un pays. Surtout dans ces pays africains où morale et éthique ont fait importance mun nga suba donc Macky Sall encore une fois beaucoup de gens dëgg dëgg quelque chose de de de de amul amul choix moom moo xam yan raison mooy tax que nous euh, munul def leneen lu nekkaat troisième am am une troisième candidature Vous faites ni amul choix ci je jóg rek pour def ko mën na def avant 2022 parce qu'il lui suffit juste de changer cette constitution là bu ko changer avec cette assemblée mécanique nous nañu changer parce que constitution n'y mbir rien de a changer mun nga changer la constitution par voie référendaire comme mun nga changer la constitution par voie parlementaire référendum maxal doit être ko en tout cas ci mandat bi waaye Si bu fekkee am comme le Mélène changer eh ben avec cette majorité naturellement comme je le disais tout à l'heure qu'on appelle majorité mécanique